Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, c'est Mariam Adé et à mes côtés, c'est nous. Bonjour Mariam, tu vas bien Ça va bien partenaire et toi Ça va, alhamdulillah, Dieu merci. Alors on a quoi Mariam, comme d'hab, nous commençons avec le flash d'information et aujourd'hui, nous avons comme invité Jafar Ahmadou, doctorant en psychologie. Il est également enseignant vacateur au département de psychologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pour le reportage en région, nous restons à Niamey pour euh, la culture linguistique. Ça sera en anglais euh, comme d'habitude tous les lundis avec Jackie Dalton et la rubrique Justice, comme chaque lundi, nous édifie sur les questions de droit. Sans oublier les sports avec notre chroniqueur sportif Adam Dulotti offert par l'équipe femme du studio Kalangu et on finira avec les messages de nos chers auditeurs. L'édition assurée par notre dame de fer Adam Adawaki et la technique par Seni Isaka. Chers auditeurs et auditrices, nous débutons votre émission Le Niger sur Kalangu avec le flash d'information et c'est avec Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Seno, bonjour Mariam. Bonjour Nafissa. Bienvenue donc à tous dans ce flash d'information. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou prendra part au Forum Afrique 2023 de Paris en France et ce sera demain un rendez-vous économique d'envergure internationale qui a pour objectif de promouvoir une vision positive et dynamique du continent africain dans le nouvel ordre mondial qui se dessine. C'est une rencontre des investisseurs français et africains qui offrira des opportunités à l'Afrique en général et au Niger en particulier. Toujours en économie, le Niger est champion de la croissance de l'année 2022 avec un taux de 11,5%. 5%. Annonce faite samedi par le chef du gouvernement à l'Assemblée nationale, rapporte l'agence nigérienne de presse. Il n'y a aucun pays de l'UEMOA qui a atteint ce taux, malgré le contexte international qui est jalonné de plusieurs crises et grâce aux efforts du gouvernement qui a engagé des ventes à prix modéré de céréales. Cela a permis de contenir l'inflation à un taux autour de 4% et il n'y a aucun pays de l'UEMOA qui a réalisé ce taux, a déclaré le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Enfin, à Agadeza, plusieurs centaines de migrants refoulés d'Algérie et qui sont bloqués depuis plusieurs jours à Assamaka ont violemment manifesté ce week-end, nous indique à Aïr Info. Cette manifestation ferait suite à l'organisation par l'OIM d'un départ vers Arlit d'un convoi de 300 migrants un chiffre trouvé insignifiant par les milliers de migrants étrangers qui attendent à Mais Mécontents, ils ont caillassé des véhicules des forces de l'ordre, des biens et des édifices publics et même privés. C'est la fin de ce flash. Merci Nefissa pour euh, toutes ces informations. On se dit à bientôt. Comme nous l'avons annoncé en début de l'émission, ce matin, nous recevons Jafar Ahmadou, doctorant en psychologie, membre du cabinet de consultation Let Group Akol Sinting. Il est également enseignant vacataire au département de psychologie à l'Université Abdoumouni de Niamey. Bonjour Jafar. Oui, bonjour. Bonjour Jafar, ça va Ça va bien, bonjour. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Nous reviendrons, vers vous hein, dans un instant, le temps d'écouter les conseils euh, ramadan du prédicateur. Pendant ces mois de ramadan, certains fidèles par force majeure ne peuvent pas gêner. Et pour compenser cela, le prédicateur explique comment il faut procéder. Écoutons Oustaz Mustafa Ahmadou pour plus de précisions. Quelqu'un qui a commencé, qui a pris l'intention de gêner, mais qui n'a pas pu faire par une force majeure. Lui, donc, il est exempté de gêner, mais à condition qu'il enlève chaque jour qu'il ne gêne pas le plat d'un miskin, ce qui peut nourrir un miskin. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui préparer ça ou il faut. Non, non. Chaque jour, si tu n'arrives pas à gêner, tu lui enlèves une mesure qui va le faire nourrir. Ou alors tu regroupes ce qui peut nourrir 30 personnes, tu donnes pour 30 jours. Peu importe le moment où tu vas le donner. Mais c'est qu'on dire veut au moment où tu n'as pas gêner Pour que lui, maintenant, en mangeant cela, c'est ça qui compense les jeunes que tu n'as pas pu faire par force majeure. Je dis bien par force majeure. Peu importe la nature, c'est que ce soit une pâte alimentaire avec des frais de condiments, ce qui peut les faire nourrir. il ne faut pas lui donner ça comme ça et puis le laisser, non. Ce qui peut les faire nourrir, c'est-à-dire tu lui donnes une pâte alimentaire avec 1000 francs ou ce que tu en as pour qu'il puisse chercher le condiment qui va lui permettre de préparer ça pour manger. C'est ça la compensation de jeunes que tu n'as pas pu faire. Mais il ne faut pas attendre jusqu'à la fin, non. Parce que toi tu n'as pas gêné de toute façon. Donc, chaque jour que tu ne gênes pas, tu donnes. Chaque jour que tu ne gênes pas, tu donnes. Ou alors tu réunis l'ensemble du plat de ce que tu n'as pas pu faire de 30 jours là tu donnes à un miskin. Et c'est ça la compensation de ton, jeune. Merci Oustaz Mustafa et espérons que nos auditeurs, n'est-ce pas, euh, ces informations les aideront dans leur pratique. Revenons à présent à notre invité du jour. Monsieur Diafar, pour commencer, dites-nous à quoi est-ce qu'on fait allusion hein, quand on parle de la santé mentale Qu'est-ce que c'est Voilà, merci beaucoup, Monsieur Seno, euh, par rapport à la santé mentale, je voudrais d'abord commencer à parler de la santé en tant que telle. Parce qu'on ne peut pas parler de la santé mentale sans parler de la santé en tant que telle. Parce que la santé mentale, c'est un élément de la santé. La santé est définie comme étant un état de complet du bien-être physique, mental et social. OK. Donc, c'est pour cette raison on ne peut pas parler de la santé mentale sans parler de la santé. Parlons maintenant de la santé mentale en tant que telle. La santé mentale n'est pas l'absence de la maladie mentale, mais plutôt ça renvoie à un bien-être, bien psychologique qui permet à un individu de faire face aux difficultés, qui permet à un individu de prendre conscience et qui permet également à ce même individu de contribuer ou même d'amener sa contribution dans la communauté dans laquelle il vit. Donc voilà en résumé ce qu'on peut dire par rapport ou ce qu'on peut entendre par santé mentale. D'accord, dites-nous euh, quels sont les, troubles de la santé mentale. Bon, quand on parle de la santé mentale, j'avoue avec vous hein, que c'est une thématique ou un sujet dont son importance est plus à démontrer, surtout de nos jours, mm. où on vit, par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé, mm-hmm. en, 2000, en 2022, il y a une personne sur huit qui sont atteintes, ou, qui sont atteintes, ou bien qui est atteinte, j'allais dire, mm-hmm. du trouble mental. Donc, parlons des troubles mentaux, il y a assez de troubles mentaux. Nous avons, par exemple, ce que nous appelons le trouble obsessionnel, compulsif. nous avons des troubles schizophréniques, mhm. nous avons des troubles alimentaires, nous avons des troubles... Il y a assez de troubles auxquels je ne peux pas du tout les citer en quelques mots. Troubles alimentaires, je n'ai pas compris. Oui, parlons des troubles. Bon, s'il s'agit des troubles alimentaires, nous avons également au niveau des troubles alimentaires, par, exemple la boulimie, par hmm. exemple l'anorexie, ce que nous appelons la perte d'appétit. On a tendance à constater ah. également tous ces différents troubles en ce qui concerne la vie des uns et des autres. D'accord. Et euh, est-ce que santé mentale est, synonyme de, de maladie mentale Oui, la santé mentale n'est pas n'est pas synonyme de la maladie mentale parce que la maladie mentale j'avais déjà donné la définition de la santé mentale en amont. Donc, en ce qui concerne la maladie mentale, la maladie mentale, c'est juste une modification de la pensée, de l'humeur ou bien même du comportement d'un individu. Donc, cela ne renvoie pas à la santé mentale en tant que telle. La maladie, la santé mentale est synonyme, ou bien n'est pas synonyme, je voulais dire, mhm. de la maladie mentale. Alors, quelles pourraient être les causes de la santé mentale les cause de la santé mentale. Peut-être je pourrais, je vais essayer de modifier euh, la question, parce qu'on ne peut pas parler de cause de la santé mentale, mais peut-être de cause de troubles mentaux. Le cause de troubles mentaux. Les causes de troubles mentaux, nous avons assez de troubles, hein. assez de troubles et assez de, causes. Par exemple, si nous prenons euh, le problème problèmes tels que les dé l'idée peut amener la personne à avoir un trouble mental, avoir par exemple de la dépression. Mm. Nous avons également parfois notre, la façon que nous cohabitons avec les uns et les autres, l'environnement dans lequel nous vivons peut nous amener à avoir un trouble mental. Mm. Nous avons également des causes qui peuvent être liées même à notre personnalité. Il y a des personnes, dès qu'elles sont nées, elles développent certaines choses, certaines manifestations qui sont liées à leur personnalité en tant que telle. Nous avons effectivement des causes qui peuvent être liées à des situations de la vie, par exemple lors des accidents, mhm. lors d'un accident, ou bien comme je disais en amont, des dés, etc. etc. Il y a assez de, causes en ce qui concerne les causes des maladies mentales ou bien même des troubles mentaux. Mm, on parle souvent, on parle souvent aussi euh, de déception amoureuse parce que nous sommes des jeunes. Et par exemple, pour, concernant ce, sujet-là, cet aspect hein, de déception amoureuse, est-ce que cela peut aussi causer euh, des troubles mentaux Merci beaucoup. C'est tellement pertinent hein, puisque euh, personnellement, j'ai été face, j'ai été face à un cas. Ah, un cas de Vous avez déjà traité un cas <laughs> pareil. oui, qui est dit à cette déception amoureuse. C'était, je garde l'anonymat, qui manifestait des troubles, de sorte que la personne ne parlait pas pendant plus de deux mois à la maison. Elle ne parle pas à, ses parents. On a fouillé, ils ont fouillé, ils étaient même chez les marabouts, malheureusement ça n'a pas <laughs> abouti. Ils étaient au service psychiatrique. Et c'est au moment où on s'est euh, rencontrés, j'ai j'ai vu les patients en tant que tel, et que j'ai découvert la réalité que c'est la déception amoureuse. La mm. déception amoureuse peut bel et bien être la cause de certains troubles mentaux de nos jours, et nous avons surtout tendance à constater chez, certains jeunes. Vous travaillez également dans un cabinet de, consultation. Est-ce que vous avez l'habitude euh, de recevoir euh, ce genre de cas euh, d'un nombre, je ne sais pas, élevé ah en tout cas, personnellement, j'ai vu, j'ai seulement eu les seuls cas. ok J'ai seulement eu les seuls cas. Je ne sais pas, peut-être avec les autres collègues qui arrive à avoir des cas. Sûrement, ce n'est pas les seuls, hein. c'est mm. pas les seuls. On peut avoir assez, assez de cas. Mm. C'est ça, parce que la majorité font référence, comme vous venez de le dire, à des marabouts au lieu d'aller euh, se consulter dans des cabinets euh, euh, chez vous, par exemple. Oh. Oui, effectivement, bon, ce n'est pas aussi un problème, hein. ce qu'il faudrait comprendre par rapport à la consultation. Certes, euh, aussi par rapport à la santé mentale ou aux troubles mentaux même en tant que tel, il faut comprendre que nous sommes en Afrique. Hein. Nous mm. sommes en Afrique, particulièrement au Niger. Il y a un certain nombre de réalités qu'on est obligé de les prendre en compte, tel que le fait de se référer à ce qu'on appelle des tradis praticiens des, des, praticiens. Donc c'est pour cette raison que vous allez voir que certaines personnes font appel à certains marabouts, à certains charlatans pour essayer peut-être d'avoir des solutions par rapport à leurs problèmes surtout les problèmes mentaux. Avant de continuer notre discussion, écoutons d'abord les conseils du nutritionniste. Oui, Mariam, euh, dernière ligne droite pour euh, le ramadan. Même si euh, nous tendons vers la fin, nous tenons quand même aux précieux conseils diététiques. comment bien manger à la rupture du jeûne Abdurazak Bello nous explique la manière dont il faut procéder dans la consommation de nos aliments et leur apport nutritionnel pour l'organisme. Ce qu'un ingénieur doit prendre au moment de la rupture, la première chose, c'est d'avoir à l'esprit que lorsque je vais rompre, il faut que je respecte le principe suivant. Le principe, c'est d'aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. Donc, ce qui fait qu'à la rupture, on peut consommer des aliments, notamment comme la date, parce que tout simplement la date est riche en vitamines est riche en potassium, et riche en fibres alimentaires. Maintenant, après cette date, on peut consommer l'eau, les boissons de façon générale. Maintenant, les boissons, il faudrait simplement avoir à l'esprit que la boisson qui est prioritaire, c'est l'eau. Et l'eau, elle doit être consommée vraiment en évitant de cette habitude que nous avons de vouloir consommer de grandes quantités en très peu de temps. Donc au moment de la rupture, et tout au long de l'après-rupture, il faut plutôt consommer de petites quantités plusieurs fois que de grandes quantités une seule fois. Également, au, moment de la rupture, on a la possibilité de consommer des boissons sucrées. Et ces boissons sucrées, il faudrait également éviter d'être dans l'exagération. Donc, parce que tout simplement, les boissons sucrées peuvent avoir d'autres conséquences et c'est maximum 2 à 3 verres de boisson plutôt que 2 à 3 litres Maintenant, après euh, ces aliments liquides et semi-liquides, il est important également pour le jeûneur au moment de la rupture d'avoir des fruits et des légumes. Essentiellement parce que les fruits et légumes contiennent des éléments nutritifs qui sont bénéfiques pour le jeûneur. Le premier élément, c'est notamment les fibres alimentaires qui sont indispensables pour améliorer la digestion. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup qui souffrent de troubles digestifs comme la constipation. Le fruit et légumes, c'est également important parce que les fruits et légumes contiennent des vitamines antioxydantes comme la vitamine A et la vitamine C. Et ces vitamines-là sont particulièrement importantes en période de forte chaleur parce que euh, la vitamine A et la vitamine C ont des propriétés qui permettent de mieux supporter certains, euh, certains problèmes associés à la chaleur. Maintenant, on peut également consommer des viandes. Donc la viande, elle est importante parce qu'elle va apporter des protéines, que ce soit la viande, le poisson ou autres aliments similaires, sont des aliments qui sont à conseiller pour le jeûneur, mais il ne faudrait pas consommer des quantités importantes. Merci pour ces informations. J'espère que vous avez pris note. Nous retrouverons Abdurazak Bello pour la cuisine tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et nous sommes en compagnie de Jafar Ahmadou, doctorant en psychologie et enseignant vacateur au département de psychologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Alors, Jafar, on revient encore une fois de plus avec nos questions. Alors, euh, dites-nous concrètement, quelles sont les perspectives euh, pour euh, remédier euh, à ces genres de, maladies mentales Les différentes perspectives, bon, pour y remédier à ces, à ces différents troubles mentaux, on ne peut pas. Bon, en réalité, ce qu'il faudrait comprendre, il y, a, y a, assez de perspectives. Mhm. Assez de perspectives, la mesure où euh, peut-être la première, c'est de demander à ceux qui en souffrent mhm. de ces différents troubles ou de ces différentes maladies, de faire appel à des psychologues mhm. ou à des psychiatres. Et là, il me faudrait, il me faudrait une précision par rapport à la santé mentale. Mhm. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la santé mentale, on ne fait pas appel seulement aux psychologues. Il y a aussi des psychiatres qui sont des médecins qui, en réalité, ils utilisent la méthode qu'on appelle la chimiothérapie qui va leur permettre de prescrire des maladies, hmm. de des, des, comprimés, je voulais dire, de prescrire des injections à des malades mentaux qui souffrent surtout de la maladie chronique, telle que ce que nous appelons de la psychose, notamment de la schizophrénie. Donc, hmm. nous, nous faisons, on fait appel à des psychiatres qui vont traiter les malades à travers cette façon. Ou bien de faire appel et eh, à des psychologues que nous sommes, des psychologues qui vont essayer de pratiquer ce qu'on appelle la psychothérapie, c'est-à-dire d'essayer à travers la parole pour les personnes qui souffrent surtout de la détresse, de la détresse psychologique, qui est mhm. une souffrance euh, psychologique que nous avons tendance à constater. Vous allez voir tel que le trouble dépressif. Il y a des personnes, il y a des personnes, un moment, ou bien même c'est un constat, c'est un trouble qu'on a tendance à constater qui est présent partout de nos jours où ça peut vous arriver un moment où vous allez, où vous allez sentir que vous n'avez pas envie de quelque chose, comme nous avons <laughs> l'habitude de dire, on a envie de rien. Ça peut vous arriver. Donc, à chaque fois, si ça devient intense, en tout cas, vous avez, vous avez intérêt à faire appel à un psychologue qui va essayer de vous suivre d'une façon à une autre à travers ce qu'on appelle la psychothérapie. Comme je disais en amont, comme nous sommes aussi en Afrique, il ne faut pas également oublier si vous avez effectivement, moi je l'ai dit hein, partout, je l'ai dit, si vous avez effectivement des cas de personnes qui sont ou qui souffrent de maladies mentales ou de troubles mentaux, de ne pas oublier l'aspect traditionnel. Parfois, on pourrait avoir une solution face à ces problèmes. Nous sommes en Afrique, alors comment diagnostiquer, euh, les maladies mentales voilà, par rapport au diagnostic des, maladies mentales, je disais scientifiquement, hein. scientifiquement, nous avons ce qu'on appelle les DSM. Nous avons ce qu'on appelle les DSM qui est un diagnostic, qui est une manuel de diagnostic et statistique des maladies mentales et psychiatriques. C'est ce que nous appelons les, diagnostics, les DSM. C'est un document dans lequel vous allez voir se répertorier toutes les différentes maladies, tous les différents troubles mentaux. Hmm. C'est à travers les DSM qu'on fait appel ou qu'on peut essayer de diagnostiquer les différentes maladies. Ou bien même nous avons par exemple ce qu'on appelle la CIM, qui est la, la, classification internationale de la maladie mentale, pour mm. auquel on va essayer également de procéder afin de faire les diagnostics des maladies mentales en tant que telles, à travers surtout les, les psychiatres. Mm. Ok, vous pouvez nous donner quelques, quelques exemples. Par exemple, si quelqu'un qui souffre de dépression, hein, de dépression amoureuse, comme on vient de le dire, les symptômes que vous pouvez détecter c'est la personne pour comprendre tout de suite qu'il s'agit euh, d'une dépression euh, de relation amoureuse. Bon, peut-être de la difficile il faudrait peut-être parler de la dépression en tant que telle, sans pour autant avoir de la précision, puisque là, il nous faut assez d'investigations pour parler un peu plus clair. Il nous faut assez d'investigations pour qu'on puisse comprendre effectivement cette dépression et dit en quoi. Parce que vous savez, il y a plusieurs troubles, comme je vous ai dit en amont. Il y a assez de troubles. La dépression fait partie de ces troubles-là. Donc, si à travers la, de la façon dont la trouble, la dépression, je voulais dire, se manifeste, c'est à travers ce qu'on appelle le trouble de l'humeur. Vous allez voir que la personne se sent triste à chaque fois. C'est comme vous lui parlez comme si elle n'a pas l'impression de vous répondre, comme si elle n'a pas envie. À chaque fois, elle ne voit que du côté, que du négatif en réalité. Vous hmm. parlez de quelque chose d'intéressant, elle, elle voit que le côté négatif. Donc, c'est de cette façon que toute la dépression se manifeste. Ou bien même, vous allez voir la personne dans des cas exagérés, hein, vous allez voir que la personne peut même avoir les sentiments de, de suicide jusqu'à ce que la ah. personne a tendance à se suicider. Donc c'est pour cette raison, c'est de cette façon qu'on pour, pourrait comprendre, surtout en ce qui concerne de la dépression en tant que telle. Donc c'est une fois dans les investigations en tant que telle qu'on pourrait comprendre qu'est-ce qui est à la base. C'est la hmm. déception amoureuse, c'est la perte d'un être très cher pour nous, c'est une perte peut-être d'emploi, ou bien même c'est le manque d'emploi. Donc c'est une fois dans l'investigation en tant que tel ou dans la prise en charge en tant que tel qu'on pourrait comprendre effectivement où exactement il s'agit de la cause en tant que ou bien il s'agit de quelle cause hmm. en tant que Alors, euh, euh, Jafar, et maintenant on a parlé un peu des symptômes Hmm? Mhm. à travers lesquels on peut toutefois détecter s'il s'agit d'une dépression, euh, concernant la relation amoureuse. Et maintenant, si c'est une situation d'insécurité, parce qu'il faut parler, c'est en tout cas euh, quelque chose que nous vivons actuellement. Par exemple, quelqu'un euh, qui se trouve dans cet état par rapport causé par l'insécurité, par exemple Effectivement, ça c'est très, c'est très pertinent. Hein. C'est très pertinent de surtout penser également à ça. l'insécurité les, ou les milieux dans lesquels vraiment il n'y a pas une sécurité en tant que telle. Peut-être également là, peut-être on peut placer ça au niveau du déclencheur ou bien de cause même de ces différents troubles. Vous allez voir lorsque la personne est dans un milieu ou dans un milieu dans lequel elle n'est pas du tout en sécurité, cela peut l'amener à manifester un certain nombre de troubles, tels que des troubles dépressifs ou bien même des troubles anxieux où la personne va se sentir inquiète à chaque fois que euh, c'est des sentiments d'inquiétude comme si euh, elle n'apparaît pas à avoir, de donner la confiance même aux gens, des personnes. La personne est comme si elle est un peu réticente, elle ne veut pas elle ne, veut même pas être ouverte avec les autres, de tous ceux qui, parce qu'elle est dans un milieu dans lequel la sécurité n'est pas du tout garantie. Donc, la sécurité ou en tant que telle, on peut, ou l'insécurité, on peut placer ça comme étant le cause ou l'élément déclencheur des différents troubles, des, des différents troubles mentaux. Ok, merci euh, infiniment, Jafar. Encore une fois de plus, merci d'avoir répondu euh, à notre euh, invitation et nous espérons que un autre jour nous aurons l'opportunité, encore une fois de plus, de vous recevoir sur ce plateau pour parler d'autres sujets. Merci, infiniment. merci beaucoup, merci. Comme chaque lundi de notre émission, les Niger sur nous parlons des droits. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question des troubles anormaux de voisinage et ça sera avec Razak. Maazou, par Ahmed. Le trouble anormal du voisinage correspond à des nuisances variées qui sont générées par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable et qui causent un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité. Et le trouble anormal du voisinage constitue donc une limite au droit de propriété. Quels sont les fondements du trouble anormal de voisinage Au sens de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il faut rappeler que, à l'origine, la théorie du trouble anormal du voisinage était fondée sur l'article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il fallait donc démontrer la faute du voisin pour que la théorie s'applique. Mais la Cour de cassation a mis fin à cette euh, exigence de faute en affirmant péremptoirement que la théorie des troubles anormaux du voisinage s'applique en présence d'un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage et indépendamment de la présence ou de l'absence d'une faute. Ainsi, chacun de nous doit accepter les inconvénients normaux du voisinage, puisqu'ils sont inhérents à la vie en société. Quels sont les critères qui permettent de conclure à un trouble anormal de voisinage D'abord, le premier critère, c'est le critère du trouble de voisinage, qui puisse avoir lieu entre des fonds contigus ou des fonds relativement éloignés. Il est ici important de rappeler que l'auteur du trouble et la victime du trouble n'a pas nécessairement à être propriétaires. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de troubles anormaux de voisinage Dans le rapport de voisinage, euh, les troubles susceptibles d'engager la responsabilité de leurs auteurs présentent euh, une grande diversité. Ils peuvent être liés au bruit, aux odeurs, aux fumées et poussières, aux vibrations, à la privation ou à l'altération d'un soleillement ou d'une vue, à un risque de dommages, notamment euh, le risque d'incendie lié par exemple au stockage de paille à proximité d'une maison d'habitation. Y a-t-il une réparation en cas de troubles anormal de voisinage et comment ça se fait Il existe euh, des mesures de réparation en cas de trouble anormal du voisinage. La réparation peut avoir lieu en nature. Ici, le propriétaire euh, devra euh, faire cesser le trouble pour se faire. Le juge et peut ordonner au propriétaire de réaliser par exemple des travaux, voire de démolir un ouvrage. Et la réparation du trouble anormal du voisinage peut également se faire par équivalent, et qui consiste pour euh, le propriétaire de verser des dommages et intérêts à la victime du trouble anormal du voisinage. Donc le juge peut condamner le propriétaire à indemniser la victime pour le préjudice qu'elle a subi du fait du trouble anormal du voisinage. Voilà euh, Tarnan Foudé Ahmed qui a réalisé l'interview est avec nous. Bonjour Tarnan. Euh, bonjour Seno, bonjour Mariam. Bonjour Tarnan. Alors Tarnan, dites-nous quelle information essentielle doit-on retenir de ce que de ce que nous venons d'écouter bien sûr sur les troubles anormaux du voisinage. D'abord, retenez que les troubles anormaux du voisinage sont des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux. Nous avons entendu la définition et les fondements juridiques. Mais avec Maître Razak, nous avons appris que les bruits, les odeurs, le le stockage des pailles représentant un risque pour les habitants peuvent être actes constitutifs de troubles anormaux du voisinage et exposent les auteurs. Il faut retenir qu'en cas de troubles anormal dans le voisinage, le droit à la réparation a été reconnu. En tout cas, c'est ce qui nous a appris à euh, Maître Razak dans cet entretien. Merci infiniment, Tarnan. On se retrouvera, Inch'Allah, le lundi prochain pour euh, un autre Merci beaucoup. Merci, infiniment. il est l'heure de découvrir la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Oui, euh, Mariam, aujourd'hui, dans la rubrique rose, nos chroniqueuses vont nous faire voyager à travers les pays avec euh, quelques recettes de galettes et crêpes. Et dans l'espace beauté, nos roses nous parlent de l'importance du démaquillage. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fins sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Très ravie de vous retrouver dans l'espace rose du studio Kalangu. Cette semaine, nous allons voyager pour découvrir des recettes de galettes sucrées pour le plaisir de nos papilles. De la galette nigérienne appelée massa à la crêpe maghrébienne bagrir, en passant par la crêpe française et le pancake américain. Suivez-nous pour ne pas perdre une miette de ces délices. Première recette d'aujourd'hui. À tout seigneur, tout honneur de couvent d'abord le massa nigérien. Nous avons préféré sa déclinaison au riz légèrement sucré. Une recette facile et pas chère. Ingrédients pour une vingtaine de galettes. Vous aurez besoin de 500 g de riz, 100 g de sucre, semoule, de l'huile pour la friture, une cuillère à café de levure de boulangère, qu'on appelle delbou chez nous ou yes, et enfin une pincée de sel. Dans un premier temps, lavez le riz plusieurs fois, puis laissez-le tremper deux heures environ. Égouttez et séchez-le quelques instants. Pilez ou faites grossièrement moudre le riz séché. Tamisez. Faites une bouillie avec la partie de la brisure du riz restée dans le tamis. Laissez refroidir et saler. Mélangez la levure dans un demi-verre d'eau Ajoutez à la bouillie ainsi que le sucre et la farine de riz tamisée. Ajoutez un peu d'eau Mélangez pour obtenir une pâte onctueuse. Graissez une petite poêle à fond épais ou une pierre adaptée. Laissez chauffer et versez une demi-louche de la pâte. Laissez cuire sur feu doux et retournez la seconde face pour faire dorer. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile pour bien faire dorer votre galette. Saupoudrez de sucre ou de miel, puis servez. Pour notre deuxième recette, cap sur le Maroc pour cette recette facile de bagrir ou crêpes aux mille trous. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un verre de farine de blé, deux verres de semoule de blé fine que vous trouverez partout dans les magasins, une cuillère à soupe de levure de boulangère appelée dalbou ou yes chez nous, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, 4 verres d'eau tiède. Pour toutes les mesures, vous utiliserez le même verre, qu'il soit ni trop grand ni trop petit. Dans un premier temps, mixez le verre de farine, les deux verres de semoule fine, la levure de boulangère, le sachet de levure chimique et le sel. Puis ajoutez seulement 3 verres d'eau tiède et mixez le tout. Une fois que tout est bien mélangé, ajoutez le quatrième verre d'eau tiède, remixez pendant 2 minutes. Mettez la pâte obtenue dans un saladier, couvrez d'un linge et laissez lever pendant 20 minutes. Une fois la pâte levée, huilez légèrement votre poêle et chauffez-la à feu doux. Pour finir, versez une louche de pâte dans la poêle et laissez cuire que d'un seul côté. Utilisez un couscoussier pour couvrir votre poêle pour faire bien cuire l'autre côté. Attention, si vous mettez le couvercle, votre bagrir sera pâteux. La crêpe est cuite lorsque tous les trous se sont formés et que le dessous est bien doré. Déposez sur un linge au fur et à mesure de la cuisson. Surtout ne pas les empiler les unes sur les autres. C'est fini pour, l'espace cuisine d'aujourd'hui, passons à présent à la beauté avec Mariam. Coucou mes loulous, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui avec moi Mariam, on va parler de l'importance du démaquillage. La peau d'une manière générale et celle du visage en particulier au cours de la journée est exposée à toutes sortes de pollutions qui laissent des résidus. Ainsi, même si après une journée assez épuisante, prendre un bain et se coucher sont les priorités, une place devra toujours être accordée au démaquillage que vous vous maquillez ou non, le nettoyage de la peau s'avère indispensable pour en préserver la beauté et la fraîcheur. Le maquillage permet de prévenir l'apparition de boutons et points noirs. Les résidus laissés par le maquillage, la pollution ou la cire tout au long de la journée forment par la suite une sorte de pellicule sur la peau qui bouche à court terme le pores et favorise l'apparition des boutons. Si la peau n'est pas nettoyée correctement, elle ne respire pas bien et absorbe ces impuretés qui ont été laissées à sa surface. La routine du démaquillage par ses vertus nettoyantes, voire hydratantes, permet donc d'éviter la formation de ces boutons, de points noirs ainsi que l'apparition précoce des rides. Elle vous débarrasse de toutes ces impuretés qui finissent par tenir votre peau et la rendre même grasse. Cette dernière arrive alors à mieux respirer et devient plus éclatante. Elle facilite la régénération de la peau. Pendant la journée, la peau dans son rôle de protection sert de barrière aux impuretés. En revanche, la nuit lui permet de se régénérer. Elle répare ses cellules endommagées et essaie d'éliminer tous les déchets accumulés à l'intérieur. Il est important de l'aider à se débarrasser des cellules mortes pour lui permettre de mieux se renouveler. Demain, nous reviendrons plus en détail sur les produits nécessaires pour le démaquillage. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. Merci les filles pour vos astuces. Restons toujours à Niamey pour le reportage régional. Au Niger, euh, la loi sur le quota continue de faire couler d'encre. Et eh oui, c'est non, malgré qu'elle ait permis de rehausser la représentativité des femmes dans les services et institutions, certaines estiment que c'est une discrimination positive qui freine les femmes dans leur ascension professionnelle. Reportage signé à mine Wacher. Au Niger, il existe une loi sur le quota qui exige qu'il y ait 30% de femmes dans les postes nominatifs et 25% aux postes électifs. Un projet de loi qui a été adopté. Une manière de rehausser la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Selon certains observateurs, cette loi du gouvernement nigérien a eu un impact sur la perception des compétences de la femme nommée ou élue dans ses fonctions. Adnan Adam nous donne son avis sur la question. Les gens pensent que les femmes euh, sont victimes des quotas, même lorsqu'elles sont sélectionnées ou elles sont recrutées sur la base de leurs compétences. Parce que justement, cette histoire de quotas fait que d'abord, les femmes de leur côté ne font pas ou ne fournissent pas beaucoup d'efforts. Et ça fait également que du côté des hommes, les gens pensent que, bon, la femme, euh, dans tous les cas, même si elle est compétente, si elle gagne quelque chose, euh, c'est juste du fait du quota. Et voilà pourquoi il faut rétablir cette injustice. Il faut créer des instruments en dehors du quota qui vont permettre à la femme d'exceller, avoir les compétences qu'il faut. Et dans ce cas, on n'aura pas besoin de quotas. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Tant que la femme est compétente, elle va s'imposer. Elle-même ne sera pas à l'aise dans la fonction qu'elle occupe parce que les gens penseront toujours qu'elle est là juste parce que c'est une femme, mais pas parce qu'elle est compétente. Et c'est d'ailleurs pourquoi on le voit à chaque fois que on a des femmes responsables qui sont chefs d'équipe, chefs de projet, chefs d'institution. Elles sont généralement victimes euh, de manque de respect de la part de ses assistants parce que bon, les gens pensent que dans tous les cas, tu es là juste parce que tu es une femme cette loi sur le quota est une bonne chose pour les femmes. Néanmoins, pour cette Idée, directrice exécutive de l'ONG FAD Femmes Action et Développement, l'attachement des femmes au quota leur freine dans la lutte pour le mérite. C'est vrai, il y a le quota qui existe au Niger, mais normalement à un certain niveau, on devrait passer à autre chose. Y compris les femmes elles-mêmes, euh, pour le moment, sont très attachées au quota. Il faut déjà qu'on arrive à faire comprendre cela aux femmes pour qu'elles se libèrent de cette loi et qu'elles arrivent vraiment à se battre, tout comme les hommes, déjà au niveau de leur candidature, au niveau de leur préparation à accéder à des postes de décision. À tous les niveaux, il faut qu'elles le comprennent, même au niveau local. Je pense que les dernières élections nous ont donné beaucoup plus raison de croire que le quota a rendu les femmes beaucoup plus fainéantes. Au lieu de les booster, à montrer leur capacité, leurs compétences, c'est le contraire. Et malheureusement, on se retrouve dans une situation à effet contraire. Au lieu que le quota favorise les femmes, le quota est en train de défavoriser les femmes, permettre aux hommes de donner une mauvaise interprétation, pas seulement du quota, mais aussi de la capacité de la femme. Aujourd'hui, les hommes pensent que quand une femme arrive à accéder à un poste, c'est parce qu'elle a eu des facilités. Même si les avis sont partagés sur le sujet, beaucoup estiment que la loi sur le quota est une discrimination positive à l'égard des femmes au Niger. Alamine, qui a réalisé ce reportage, est avec nous. Alors, euh, pourquoi ce sujet en particulier, Alamine Bonjour Seno. Bon, le sujet, ça m'a beaucoup inquiété parce que euh, j'ai constaté que beaucoup de femmes sont discriminées, sont stigmatisées par rapport à cette situation. Il y a des femmes qui ont des niveaux, qui ont des capacités, qui ont des connaissances, mais s'ils dirigent les gens ne considèrent pas ces femmes. Et ah. ça, moi, ça me fait mal parce que les gens oublient que les gens ont des connaissances et des capacités. Mhm. C'est ça qui m'a beaucoup tiré pour euh, chercher à réaliser ces reportages. Alors, beaucoup euh, d'organisations féminines luttent pour euh, le quota. Est-ce que les personnes avec qui tu as échangé pensent que leur combat doit continuer dans le même sens oui, ils ont beaucoup, beaucoup insisté sur la continuité de ce combat parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas vraiment. Elles disent que. Hein. Euh, elles disent qu'ils euh, ne sont pas vraiment autour qu'il faut mhm. Mhm. parce que la place de la femme, la femme ne doit pas s'accrocher à ses quotas. Mhm. Ils doivent euh, faire plus pour prouver aux hommes qu'ils ont les capacités et les qualités. Et ça, ça doit vraiment interpeller tout le monde. Parce que dans plusieurs services, dans plusieurs sociétés, mhm. quand tu vois une femme à la tête, les gens considèrent que non, c'est les quotas. Alors que ce n'est pas une réalité. Il y a les compétences qui sont là, il y a les connaissances qui sont là, il y a des femmes qui ont des compétences et des qualités que les hommes n'ont pas. Et ça, là, ça doit cesser. Et les femmes aussi doivent se ressaisir pour savoir que vraiment, ils ont une place dans la société et qu'ils méritent d'être responsables partout où ils sont. Merci euh, infiniment à Lamine Ouachar pour ses précisions. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. la chronique sportive, Adam Sahir nous a rejoint. Bonjour Adam. Bonjour Mariam. Nous ouvrons cette page avec euh, du taekwondo. Oui, effectivement, hier, notre compatriote Abrazak Alfaga a remporté une médaille d'argent à l'Open d'Espagne dans la catégorie de 87 kg senior masculin. La rencontre s'est déroulée du 14 au 16 avril. Cette médaille intervient après celle du bronze qu'il a décroché à l'Open d'Autriche en mars 2023. Adam, visiblement notre euh, champion, enchaîne de bonnes performances. Bien sûr, c'est nous. d'ailleurs, il a publié un message auprès du public nigérien dans lequel il disait, je cite, le travail continue, merci pour votre soutien. Adam, après les taekwondo, parlons à présent du foot. Oui, l'équipe nationale de la catégorie de moins de 20 ans filles et garçons s'activent en vue de leur participation au tournoi de l'UFOAB. Adam, je suis sûr que nos auditeurs aimeraient euh, savoir plus euh, sur ce tournoi de l'UFOAB. Oui, c'est nous, c'est une compétition de football réunissant les sélections nationales de l'UFOAB, l'Union de Fédération ouest Africaine de Football. La zone UFOAB comporte tout d'abord le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Et sachez que l'objectif de ces tournois est de redonner de la compétition aux catégories inférieures. Alors, Adam, quelles sont les dates prévues pour débuter ces tournois La première édition du tournoi des filles se tiendra à Kumasi, Accra, au Ghana, du 20 mai au 4 juin 2023. Et la deuxième édition pour les garçons en Côte d'Ivoire du 7 au 21 juillet 2023. Les tirages au sort auront lieu aujourd'hui même à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous allons euh, à présent parler de la mise en norme du stade général séné de Niamey. Oui, c'est nous. le vendredi passé, le ministre de la Jeunesse et du Sport, Sekou Adamou, accompagné par le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel Jibril Lahima, et une délégation de la République populaire de Chine, ont effectué une visite au stade général séné Kounté de Niamey. Dans le cadre de sa rénovation, le chef de mission chinois a rassuré aux autorités nigériennes en charge du sport qu'une visite d'inspection sera bientôt au Niger pour entamer le processus de rénovation complète du stade. Et c'est tout pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci infiniment, euh, Adam, pour euh, toutes ces informations sportives. Merci à vous aussi. Bye bye. À présent, c'est l'heure d'aller découvrir la star du jour. Oui, Mariam, euh, nous partons à Gaïa pour parler activités génératrices euh, de revenus. Nous allons à la rencontre de Hadiza, voilà, nous allons à, la rencontre de Hadiza Abdou Issa, mère de famille, euh, la quarantaine, qui depuis 20 ans vend du couscous traditionnel communément appelé dambou. C'est grâce à ce commerce qu'elle prend en charge à sa famille. Notre correspondante de Gaïa, Ramout Issa, est allée à sa rencontre que je vous propose d'écouter ce portrait. hadiza abdi isa kan se Igini di jambube amanta kalwe borno kan ga dambu nera dambu fatokyo fonda ramu no hadiza duga ba fucina kaddai kan fuwo kan ibon kai diya kan bisara ba dai te anfaman wallahi ya jinkati ai kul kan borga ni te wundira dai wallahi go ka yara inda funa waran diyawo dai kai kan ya ga se da hankan ikul har wo kulu arane gati nangu kai fo kan irgwara irkoy te mura babo na. fuwojin kama ya moye na kwai ni to kare da karo a kute gaba da zama da man cikin irkoy ni irfun dai ka don hu me kai yara fo kam irbon utan do dai kan nife har ko koranta din dai fo kam irbon kalkin ifan sika labora kenan dan boga na duwa somo ai gon ware irkon dinga da irkon da gona itaisi aboga koy ni ai me ka cinara kwai ne zama babo kai sinda wallahi ba bosin da ware kya da yango fanda da dai hadiza famin dir sai kan riba duyan gwanda gabi zamano kan ra wallahi masala da habo kai wo sun ho dai ka habo sino te sun sun ho haikul kan ga himan da zangu imane zangu taki an kan ga himan da waran kai imane zangu ware cada jiyo kan ga du a cada masara cada to zan ka kan din sai waran ka nin kan iza nya kan ga iza dole bai bora kan din se waran ka hin te nyo wa ita kino ko cha ina nyo no wala waran kan ina no bai kan sin ka bora no waran ka jinai kana mu kuma kenan dole ni ga bakar nin kulkan hain ga bakar iza wani mosi to han fen da wani ran dole te no nyo kan fen no nyo wasika han fen wasi fatabun bodano kullum da tabo kan ra hadiza go a izayi goga maka ne da matukan kini idi inga nya goga katiga tunu inga annun ya bafu namu dugu buri se je la trouve très courageuse elle nous aide beaucoup surtout sur notre scolarité mon souhait c'est de bien étudier pour avoir un bon travail pour que je puisse l'aider un jour haikul na go umfanai se zaga bankare ko yesu no da bankare da sak da teniya ai ngware ba duwa kwai hannukan gaka don bote ya mora bakan dai hadiza abdu isa sin da noru hannukan ginga fatau beren berandi wedin mangangi agoga kokari ginga dan bonera ya dimono agoga bin da ke gadi tabo banyan banda Merci Ramot Issa pour euh, ce portrait. C'est nous c'est que sur les marchés on retrouve différentes huiles de cuisson, mais toutes euh, ne sont pas bonnes pour la santé selon le nutritionniste Bello Abdurazak. Certaines maladies euh, cardiovasculaires seraient causées par la consommation excessive de ces huiles. Alors, comment choisir la bonne huile pour cuisiner Réponse dans cet élément proposé par Rahilatou Soumana. Le principal élément qu'on cherche dans l'huile, c'est ce qu'on appelle les acides gras. Il y a ce qu'on appelle les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ce qui fait la qualité d'une huile, c'est sa teneur en acides gras Parmi ces acides gras insaturés, il y a deux qui sont particulièrement recherchés, communément appelés oméga 3, oméga 6. Important pour le développement du cerveau, c'est important pour euh, la femme enceinte. Ces éléments sont importants pour euh, nous fournir de l'énergie, également pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Il faut choisir une huile qui ne contient pas d'impuretés. Et il y a d'autres critères, bien entendu, qu'on peut également utiliser pour apprécier la qualité de l'huile, c'est sa brillance. Lorsque une huile est terne, ça veut tout simplement dire que c'est une, qui a été conservée très longtemps et ça change de couleur. Il y a également une modification d'odeur. Quelle différence peut-on faire entre les huiles d'origine végétale et d'origine animale La différence fondamentale entre ces deux huiles-là, généralement les huiles d'origine animale se solidifient à température ambiante pour dire que ces huiles-là sont riches en acides gras saturés alors que les huiles végétales sont fluides, Ça veut dire que riches en acides gras essentiels. La meilleure huile dans un premier temps, c'est l'huile qui ne va pas se solidifier à température ambiante. Ces acides gras saturés sont impliqués dans la survenue des maladies cardiovasculaires et c'est pour ça il est important d'éviter dans notre alimentation les acides gras saturés qui sont contenus dans les huiles d'origine animale. En plus des acides gras saturés, vous avez également du cholestérol. Également, on sait que le cholestérol est impliqué dans des maladies cardiovasculaires. Mais souvent, le problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a de la contrefaçon. Il y a beaucoup qui vont faire une association d'huile d'origine animale et d'huile d'origine végétale pour un souci de rentabilité. Et c'est ce qui fait que souvent, vous allez retrouver sur les des huiles normalement d'origine végétale qui se solidifient à température ambiante. Naturellement, l'huile d'arachide, c'est une bonne huile. La seule difficulté, c'est que le processus de transformation, c'est un processus artisanal qui ne permet pas d'éliminer certaines impuretés. Mais sinon, du point de vue composition, l'huile d'arachide est très riche en acides gras insaturés bénéfiques pour l'organisme. Est-ce qu'elles sont toutes bien pour les fritures Lorsque l'huile noircit avec des dépôts solides et l'aliment qui est frit également est noirâtre, ça veut tout simplement dire que l'huile en train de contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques, malheureusement, sont des éléments cancérigènes. Et ça, c'est vraiment déconseillé de consommer de façon fréquente ce genre d'huile. Nous remercions les nutritionnistes Bello Abdelrazak pour ses éclaircissements, mais aussi Rahila Toussoumana qui nous a proposé cet élément. Passons à présent au Lotti avec les ex femmes du studio Kalango. Avec l'utilisation d'Internet à travers les réseaux sociaux, beaucoup de fausses informations et des rumeurs sont véhiculées. Certains prennent pour argent comptant tout ce qui leur parviennent et les relayent automatiquement sans vérification. Et partager une rumeur pourrait tenir l'image d'autrui ou inciter même à la violence selon l'information. Mais, euh, heureusement que les autorités ont pris hein, des dispositions. C'est ce qui ressort de ces lotis présentés par Rakia Arimi et Samira Rouafi. vahina vahina he ifono ifono kanigo katigai make yachino ifo gadunin e ngungadi sondanini sambe igon whatsapp ko hupfoga pfk fiti la president ingine ya agono ogufai kauye menda me kanga manir gaga boga yamu dugu sappase hey fa ifono ni goga chiwo mai ga hayo sambani se hey nimo sin da umfani ana te daina iwe ga ka an te son songune irwo partiyo kan si hino banda ganirgo son irim ga faino boga kulmu duwa in kan baga ga. mahagwai hankan bar man bai hal kimino wo bar sasan ba wallahi mahagwai da tari tari albaharai dini wani tari tarino he mai ne ni se tarino da muna te dai igso bai gadon kan baga siraiga oho imduga ma sarase ai gogin hanga kendi nidi tari tari albaharu sambayenwo da mana koi ne agonda saru gumo nidi son lokaco kirgo nim hau boraga wal nim tari boraga walaga koi ga tebor fo se tali hankan gati zamani fonda ibo ini kul gangi subhanallah koi ne mabai in ai foka ka ir niger labora girizan bar hinkan da wakin da yagga imduga hankan gati zamani fonda ibon talai kulu jukke aya lamba giri zambar hin kan da waikin da yagga da waran zakin da hinza kan ikwai ga kan badake je hando girbi hinza a nasari giri zambar hin kan da waikin da yaggara Wane bin daga cebe kan tali talai kan borai ga te ikwai gi jukke aga kwai ga to nan ki ga bora gwai gine kulta imagangi hankan ga ti zamani fonda ibon yan samba wala mo wasikayan igin kwai ga bora gangi bumbo windiyan wala mo im kwai gin jukke mate chogo hayo kulkan go chini siga dengi tonto na gamu ai wo fonete ai go chawdeno ai go sambo bogai semo albahare kan gudun gudun go bogai mami ngai mu hey ai bora wallahi ma haggoi ni ko gin bonton hanfoya ni di albahare wo kan nidu parti fitilla gin bora wana eh daman tiki mino binde matano nigite ni di mazeni koi ga masar noya wala ni bai wani talibere mono mate a haye sin da fogai fa wallahi ya dinga da yakin no ai ga wallahi sabini se wallahi sabini se gumgumo kani ne ban woferi dal sino kai ne ni nina kayan da min ba ai sanno banandi hankan gati zamani fondo albahari ya mai sambayan bon a ya dinga go hangan se ni didin kwai gite tali hankan gati zamani fondo bon jujo ga hin gatir fo katare ni bon nimdu gagana dimana gana mu iginigin bu kaso giri hinza ga koi giri iddu wala mu imin juke miliyon fo ga koi miliyon wai mate amma wallahi kan baga sire woga goyo son wallahi aga bok ta bandi igwanda masala fa sadin no nigi hinga bok fo masara janga ga amma bugai kai go hauga te wallahi aga ga hey da ya dinwa ni di wasa bosa pe wo kulna igna ngai ma tu su kambo ai kan baga shi sugoga <laughs> suru me suru kyoro haya mantono dingina a mantoni min bonka an dunyara ni ya dai ni min bonwa da haikul sambayan dindu hmm. ai gice ci godin te a <laughs> ah, to din fa mu kai abori kaga di video ne ya ai mike benise he yai si bai di ir koy sai nan ma im sko te ba son sani sanne wo kan si bogi no igum koi ga sani ce ciri bonga ai wai sin fa <laughs> eh kero man tiyadi no aka ai hi ya video na igum benise kaga ti a ah, to wadin go kai abori <laughs> Voilà, c'était là le desk euh, femme du studio Kalangu, le loti bien sûr. Alors, chers auditeurs, le Niger sur Kalangu, c'est aussi la culture linguistique et aujourd'hui, on va découvrir comment dire vous êtes en anglais. Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. Il y a deux semaines, nous avons parlé du mot I'm. I'm un mot qu'on utilise pour parler de soi-même. I'm Jackie, je suis Jackie. I'm hungry, j'ai faim. I'm sad, je suis triste. Maintenant, comment dire vous êtes ou tu es C'est your. C'est your. Yo Olivier. Tu es Olivier ou vous êtes Olivier. N'oubliez pas qu'en anglais, on ne fait pas la différenciation entre vous et tu. You, ça s'utilise pour tout le monde. Et you are, vous êtes, dans la langue parlée, ça devient souvent your. Your. You're 20, vous avez 20 ans. You're tired, vous êtes fatigué. You're angry, vous êtes fâché. You're from Niger. Vous êtes du Niger. À vous maintenant. Savez-vous comment dire Tu vas bien You're fine. C'est yo Comment dire tu es triste You're sad. You're sad. Comment dire tu es mon ami You're my friend. You're my friend. You're, that was today's English word. Merci Jackie pour ces explications. C'est toujours un réel plaisir d'avoir un retour sur nos productions et sinon ils sont nombreux les auditeurs qui nous ont laissé leurs euh, messages vocaux. On les écoute. Sunana Omar Moussa, nan garin Kwani, ina sauraron Radio Kalangu bisa ga abubuwan da aka yi lalle abubuwa na masu lalle abuna mai waye mutane kanu saboda haka na radio kalangu muna jin na mishi mu nan jamhuriya nan birnin kwanni muna yabo ne ɗari bisa ɗari to muna son a ci gaba da shirye-shiryen nan na radio kalangu muna fatan allah shi kama muna kuna samu muna watsa abubuwan da mun ka gani muna haɗa muku kuna sawa ni dai suna na haruna lawal sanda likita ne a csc urban eh gaskiya studio kalangu kenan muna ji duk information da muka saurara he muga kuma realite a zahiri he mu gani kuma sosai a tace yake muka rasa daga ina ne da muka yi tambaya mu aka ce abin aka yi daga niyami in a rarraba shi a ƙara ko awa biyu ko awa biyu da rabi eh sunana mallam habibu dan to wallahi ne shirye shirye nan da ya komu suna birge wata sabili da mu a karuwa da wasu abubuwa da ake nan gayi bisa kansu inda shirye-shirye ne kuma waɗanda ake waye mu mutane al'umma kanu bisa kansu waɗanda wayansu ba su sani ba kuma wayansu sun sani mu dai babu abin da za mu sai dai mu ce su ƙara waye mutane kai bisa kan abubuwan da suke nan ga ta yi bisa kansu sunana ibrahim iliya malamin makaranta ne da nake sarba gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna fadakarwa suna kai sako lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan kara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare dokalin do kulu aran fai bani mata gaham isna sai kal zainabu ai sikal no ne ballai yara da bagin da gana gai haru nera ai naran cem naran se kan ayran mu fondo goydo ko karo karan go sai labarai noyon wado hara wicir kan bukulir ga hanganaran labarai se wani wani wai bato sigiro furta jai labarai da labarai kan haran girno niger fi hazul matara labarai menda menda nirga ma istijo gujin damo irgaran fondo goy Voilà, chers auditeurs, euh, vous aussi, vous pouvez nous laisser vos messages vocaux au 82 89 89 64. J'ai dit bien 82 89 89 64. À présent, recevons encore une fois de plus euh, Nefissa qui nous a présenté tout à l'heure le flash d'information. Cette fois-ci, c'est pour connaître les grandes lignes de l'édition de 17h. Rebonjour Nefissa. Rebonjour Seno. Alors les grandes lignes de notre édition d'information de 17h sont tout d'abord les préparatifs de la nuit du destin ou l'électrique cadre qui est prévu cette nuit. À cette occasion, la journée du mardi 18 avril est fériée et chômée au Niger. Ensuite, il sera question de la toute première session ordinaire de la nouvelle équipe du Conseil supérieur de la communication. Enfin, le magazine Justice de ce lundi nous édifie sur l'importance de l'obtention de la carte d'identité nationale. Merci infiniment. Euh, à ce soir. Merci à l'écoute. Merci. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou. ici prend fin cette émission de ce lundi 17 avril 2023. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et moi-même, Ali Moukela Ousseni alias Seno. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. La technique a été assurée par Sen Isaka et Adama Dawaki à l'édition. Demain, retrouvez Asokbavi et Rabia Mekano pour un autre numéro. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye.